Les auditeurs du studio Kalangu, bienvenue dans votre émission de la mi-journée Le Niger sur Kalangu. Pour vous servir aujourd'hui, je suis of Draman avec moi Salamut Kadri. L'édition est assurée par Adama Dawachi, la technique par Mustafa Ayouba. Bonjour Salamatou, comment ça va Très bien Roukaya, le programme d'aujourd'hui se déroulé comme suite à un flash d'informations, de la musique 100% nigérienne sans oublier le sport, la rubrique hebdomadaire. Nous aurons également la rubrique Loti préparée par les femmes du studio Kalongo. Notre invité du jour est un jeune Nigérien vivant en Inde. Abdulkader Hassan Hamadou est spécialiste en exploitation et utilisation des réseaux sociaux. Restez avec nous fidèles auditeurs pour ce programme riche et varié tout de suite. Chers auditeurs, voici le flash d'information présenté aujourd'hui par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Rukayatou. Bonjour Salamatou Kadri. Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent que nous ouvrons avec euh, la région de Dosso qui a accueilli hier 26 juin, la célébration de la journée internationale de lutte contre le trafic et l'abus de drogue marquée par l'incinération d'une importante quantité de drogue. C'est une drogue d'une valeur d'un peu plus de 216 millions de francs CFA saisie et déférée au tribunal de grande instance qui a été incinérée hier. À cela, il faut ajouter une importante quantité de produits pharmaceutiques. La célébration a été présidée par le représentant du ministre de la Justice, du représentant du ministre de l'Intérieur, des autorités administratives et coutumières de la région ainsi que des responsables des forces de défense et de sécurité. Parmi les personnes interpellées en 2023, la tranche d'âge varie de 18 à 29 ans, soit plus de 60%. Dans un communiqué publié hier 26 juin, le syndicat autonome des magistrats du Niger, le Ben Saman, dénonce la violation des principes et valeurs de l'indépendance du pouvoir judiciaire et exige l'arrêt des émissions intempestives du pouvoir exécutif dans les attributions du pouvoir judiciaire. Le Ben Saman déclare que ces actes portent gravement atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l'indépendance indépendance judiciaire garantie par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par le Niger. C'est pour toutes ces raisons que le Saman a lancé un préavis de grève de 72 heures pour les 1er, 2 et 3 juillet prochains. Aujourd'hui, 27 juin, la communauté internationale commémore la journée mondiale de la surdité, en hommage au jour de naissance d'Hélène Keller. La journée vise à sensibiliser le public sur ce handicap spécifique mal connu et de l'inviter à construire une société ouverte et plus inclusive pour les personnes sourdes aveugles. La surdicacité est une situation de handicap résultant d'une double déficience sensorielle, auditive et visuelle. La gravité de l'effet combiné sur la capacité de la personne à, à communiquer, à se déplacer et à accéder à l'information est tel qu'un sens ne peut compenser l'autre. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 27 juin 2024. Merci Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, pour rappel, notre invité du jour est spécialiste en exploitation et l'utilisation des réseaux sociaux. Abdelkader Hassan, bonjour. Merci d'être là. Merci. Euh, alors, avant d'entamer nos discussions avec vous, nous allons d'abord souffler en musique avec ce titre Jump pop de Honest. le show, garantiment. ma Si t'aimes le show, vas-y, dire on est ensemble et du duo Roxim et Freddy Gaz, d'où la fusion acquise le nom ci-dessus pour justifier l'union et la détermination à une même fin. Ce fut le 27 août 2023, groupe phare au Niger, vainqueur du Nescafé African Revolution 2026. sur les ondes de nos radios partenaires sur l'émission Le Niger sur Kalangou et vous venez d'écouter le son Jump Pop de onès Il est l'heure de retrouver notre invité du jour, Abdelkader. Et bonjour. Bonjour. <laughs> et qu'est-ce qui vous a fait partir en Inde Bon, en Inde. bon bon après le bac beaucoup nest pas mm. Et puis l'Inde, c'est l'un des pays les plus développés en technologie, si on peut dire. Donc, euh, j'ai décidé d'aller faire mes études en Inde. Bon, d'une quoi tu verras d'autres opportunités quand voilà. Mm. Donc, bon, actuellement, quand il y a Covid-19 quoi donc, je faisais euh, les, les, relations internationales et puis le marketing. Ayo, ingno kete won choyango actuellement mm. ne donc comme irskoy école en ligne non donc j'ai profité mt formation bobo par exemple chez Google mm-hmm. chez LinkedIn donc été même chez UNICEF donc j'ai eu à me former dans la technologie comme bakano gaisi I think te affaire donc formation et comment vous vous êtes intéressé aux réseaux sociaux bon les réseaux sociaux on connaît depuis, quand, depuis euh, mon enfance, pas enfance, enfance, mais bon, quand même, euh, par exemple, quand j'ai 16, 18 ans, on était sur les, les, les, réseaux Facebook en ce moment. il faut que nous Facebook oh, bon. Donc depuis là, je m'intéressais sur les réseaux sociaux et que je maîtrisais. Je mm. maîtrisais vraiment les réseaux sociaux. il faut non il faut noter ces déclics. Il faut non quand des jours faut décider netto. Je vais m'intéresser à ça. Euh, c'est parce que, quand, bon, avant même que je ne parte en Inde, moi je savais que, tant que tu veux communiquer là, euh, la le meilleure façon de communiquer en fait c'est les réseaux sociaux et, que c'est la communication qui fera en sorte que nima on connaît de communication ba bouche à bouche non là voilà mm-hmm. mm-hmm. comment tu peux définir ce travail là Bon, on peut dire que je suis entrepreneur digital parce que je ne fais pas seulement que les réseaux sociaux, je fais aussi la distribution musicale, j'ai aussi euh, une compagnie de, marketing, n'est-ce pas Kaswa Digit. Mhm. Euh, et puis j'ai Kaswa Distro. Mon coin. Hmm. Donc, à quoi consiste ce travail Où À Bon, ça consiste seulement... Euh, il faut digital, ah, tout ce qui est digital, de faire quelque chose, d'apporter de, d'apporter euh, du soutien euh, en ligne, c'est-à-dire euh, numériquement. Voilà. Hmm. Et tout à l'heure, vous avez dit euh, la distribution musicale. Ça veut dire quoi En termes plus clairs. Ok, la distribution musicale, on peut dire que c'est la monétisation des contenus des artistes, mhm. n'est-ce pas Des mhm. artistes qui font de la musique. Mhm. Mais quand même, euh, je travaille aussi avec euh, les, créateurs de contenu. Pour, je les aide à monétiser leur contenu sur YouTube, sur tout en fait, tous les réseaux sociaux, I'm YouTube, TikTok, nankulkan en tout cas burage nging de de les gagner moi je l'aide à faire ça monétiser ngi gano im dunora bon là en fait si tu fais une vidéo mm -hmm. n'est-ce pas nigonda nigonda vue bobo n'est-ce pas Tu mm -hmm. peux mhm. gagner de l'argent là-dessus. Sur YouTube, par exemple. Manti YouTube, mm -hmm. YouTube, Facebook, um, TikTok. En tout cas, il y a des gens qui ont Donc, dans le Niger, il y a des gens qui ont des vidéos, c'est pas possible même pour la localité, genre Niger n'est pas monétisé, n'est-ce pas Donc je prends ton compte, euh, Indenine, on signe un contrat. Avec, tu signes un contrat avec ma compagnie, après on monétise. Nous ne pourrons choisir, nous ne pourrons contacter, nous menacer quand Aïdi nous de vivre ou bien nous Ginti. En fait, sont Aïtoun quand je contacte plus, ce sont les gens qui me contactent. À mes débuts, oui, je contacte pour que Borei I'm, I'm hmm. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec les plus grands, c'est-à-dire les gens qui ont les millions, mhm. Par exemple, au Niger, Bara, Ousmane Majo. Barakina Non, Barakina, lui aussi, c'est moi, je eh, distribue Bara? ça. Bara Pro. Ok. Quand tes vidéos à hmm. hmm. voilà. Mais sinon, les artistes nigériens, Ikulu, en tout cas les grands, les Barakina et tout, c'est moi, je distribue. Tu as l'air de c'est une émission. Il mhm. faut que tu aies une émission. Tu as l'air que c'est une émission. Tu as l'air de une émission. Mm-hmm. iminga compte facebook ko retrouver dina perda to mm. kir se odi ok voilà en fait man facebook hini im mm. facebook whatsapp um, tiktok instagram snap tant que ni perdre man te perdre rien hini tant que tu perds ton compte ou bien tu veux sécuriser, par exemple, on a Rankunoga Ferrage 227, ben, n'est-ce pas mm -hmm. Ferrage Au 200. micro de Ibrahim. Voilà, mm -hmm. au mm-hmm. micro de Ibrahim, à page de Kambara Nagwa, mm-hmm. Haki. Mm-hmm. Et puis, je, elle dit, aiga aiga hagoida on page n'est-ce pas il y a beaucoup de pages au Niger bon on dit ndene gingi publiquement aram fami wala den hagoida bora page akcha de wala bon tout dépend de on il y a il y a des intérêts mutuels n'est-ce pas par exemple, aujourd'hui, si je veux te poster sur la page, je peux te poster. Bon, il <laughs> Chers auditeurs, avant de poursuivre cette émission, voici pour vous Donnez-moi de l'artiste Elsa. Partout, ça parle de moi. Oh, c'est Elsa. Ça va décoller, ah, eh ça va chauffer. Ouais ça va ding dong, aujourd'hui ça va chauffer Ma chérie c'est comment L'argent qui est à manger Ce n'est pas du cadeau Ouais tu vas me payer Ma chérie c'est comment L'argent qui est à manger Ce n'est pas du cadeau Ouais tu vas me payer Donne-moi, donnez-moi, donnez-moi L'argent qui est à manger là donne-moi, donnez-moi donnez-moi. Où tu vas me payer, la donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. L'argent qui est mangé manger, la donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Où tu vas me payer, la donnez-moi. J'étais à la maison comme d'habitude. Ma petite m'appelle et j'ai vite répondu. On s'est salué à peine et elle m'a dit Bébé, s'il te plaît, faut me rendre service. Je veux que tu m'achètes un nouveau téléphone. iPhone 13, quadruple caméra. Je l'ai dit, t'inquiète pas, ma chérie. Je vais t'acheter ça même dans la semaine. Et moi, j'avais rien dans les poches. Tu connais à faire des gars bon. Dès que tu la gères pas, elle va te quitter. Pour cela, je mets pas j'ai pris ma moto et j'ai vendu. Je l'ai amené de nouveau téléphone avec quelques sous qu'elle m'avait demandé. Pour moi, si on s'aime, on s'est rendu service. Rosa la gola m'est tapé au Elle avait amené l'argent à son gars. Argent dépensé pour qu'il paye les loyers. C'est avec mon argent tu veux te marier. Parlais me dit depuis j'allais te zapper. Tu m'appelles Coco, c'est toi le cocotier. à faire des charités et des cadeaux. Donc on t'a dit que je suis le Père Noël. Faut pas t'amuser, ma chérie, faut pas Faut pas t'amuser, parce que je vais pas t'appeler pour moi d'amuser. Moi chérie, faut pas t'amuser. Ah, pour moi d'amuser, parce que je vais pas t'allumer j'étais revenu vite à la maison. Histoire m'a mis quand je pris médicaments. On va se séparer, je suis plus ton amant. Même si avant on était comme des aimants. Enzo Kedi m'avait bien soigné. Maintenant tu verras de quel bois je m'échauffe. Chemise, repassée, les soulés, bien ciré. Kewana bébé, sama da kasa su game su bare. Kuɗi ne kika ce sai kin biya ni ko kin azagi da muni ne da fare. Kuɗi na kin takin ba wani gaye. Inda maka ce ke ci sai in kyale. Rubuta ta ƙare. Ai sata gidan para au ne. Ni ne sayan nile atamfa nile salula gashi yanzu kin zama mun kalula ban gusa nan ke asusun ki fashe kenan don so ta bige un in hadu yaro da ni baki sani in mutu in ma kina so oh, soyayya mata karu ma chérie c'est comment l'argent qui est à manger ce n'est pas du cadeau où tu vas me payer ma chérie c'est comment l'argent qui est à manger ce n'est pas du cadeau qui ouais tu vas me payer donne-moi donne-moi donnez-moi L'argent qui t'a mangé là la donnez moi Donnez-moi, donnez-moi Où tu vas me payer, la donnez moi Donnez-moi, donnez-moi L'argent qui t'a mangé là la donnez moi Donnez-moi, donnez-moi Où tu vas me payer, la donnez moi Aïe, Doudou Starboy, tu es dangereux, bro by Judy Starboy Après cette belle sonorité, fidèles auditeurs, nous allons entamer la deuxième partie de nos discussions avec Abdelkader Hassan. je rappelle qu'il est spécialiste en exploitation et utilisation des réseaux sociaux. So, nous, on aimerait savoir, est-ce que vous formez d'autres personnes en exploitation et l'utilisation des réseaux En tout cas, euh, il y a des services payants, n'est-ce pas Donc, euh, j'ai voulu faire une formation ici au Niger, mais malheureusement, à doute, avec euh, bon ils sont tellement intéressés. Donc ce que je fais, c'est pas que je ah, forme. Excusez, il faut c'est amener formation. Moi mm, je mm. oh, moi j'étais pas au pays, moi j'ai fait mon programme. Donc il mm. y a annoncé c'est les réseaux sociaux. Donc amanto aigo nongora en tout, et puis guin Fou, Ginsi Nongura, singbe et kango Gete. C'est ce que tu vois seulement sur Internet, n'est-ce pas mm-hmm. Et puis si tu n'as une situation où ils ont dit que tu Milano. Mm-hmm. Voilà. Donc, mais quand même, il mm-hmm. faut nous, j'ai un plan, ay chingete, ay bon vidéo, I'm, I'm boreno. ay vidéo éducative, borem Pour former, bon, c'est éducatif aussi, on peut dire, ouais ce sont des vidéos éducatives ah. c'est vrai c'est vrai Ah, une très belle question d'ailleurs euh donc actuellement même il est là-bas dans ma chambre à parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire on ne des go démonétiser n'est-ce pas donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis déconnecté de mon téléphone. J'ai deux ordinateurs. Afa dini, téléphone quand hin goyo hmm. Donc, la monétisation ça passe de agono ende way go nango. Hmm. So, voilà, ni goyo za go bon. programme matano aguti da ni Okay, faut fura internet to oh, hin n'est-ce pas Parce que Ayman Internet, eh, Internet. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais euh, c'est des programmations. Tout est mm. programmé. Mais quand même, quand j'ai un boulot, par exemple, pour, pour une entreprise, je prends le boulot. Bon, généralement, je travaille la nuit. N'est-ce pas? Donc, je ne peux pas signer école, n'est-ce pas? Donc, j'essaie de gérer comme ça. Mm. n'go nous bon ay gonda en tout cas moi i'm okay a limiti un kun ba Je suis gati application gati hmm. peut-être la première application nigérienne même e-commerce no sintin gati de iphone bo maintenant ma niger ah. mais bon avec la situation ici goida ka kana voilà goy nigdu sandai mhm. nigo wara sandai fudmano nigo sanda ka cikin niger internet su niger kupire ingia denoya partu ya partout sanda kan bor ingi du deno ya bon bore mu isibinga bana bore isibinga bana epi bore ga Mm. gratuitement. Gratuitement, voilà. Les gens veulent que tu, tu leur travailles gratuitement. Mm. Harmono parce que toi-même, les formations même ne sont pas gratuites. Mm. Et puis la connaissance reste toujours la connaissance. Oui, c'est ça. Et Abdelkader, je suis sûr qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui aspirent à être comme vous. Et tu peux leur dire quel est le secret pour devenir un excellent spécialiste en exploitation et utilisation des réseaux sociaux Hum, tant que vous voulez maîtriser les réseaux sociaux, hum, il faut rentrer dedans. Par exemple, si vous voulez apprendre une langue, il faut que gin ko nan kan bore iguga sala wat kunu à chaque chap ni guana n'est-ce pas mm-hmm. donc pour maîtriser les réseaux sociaux on connaît il faut rentrer dans les réseaux il faut rentrer dans, dans le domaine des réseaux sociaux mm -hmm. voilà abdul kader ne il faut maîtriser une langue ni ko end ni wan ni wan end sanno ni man wana gi ay guana to ler ba en balim ke se kain fo end sanno ga ni go iro kalangu auditeur et auditrice kul ko go an ganarse ni go gi euh kalangu bu hota chahe eh euh, ça veut dire que genre aika kalangu kalangu allait et eh, bon genre c'est très bien kalangu mhm. genre j'ai apprécié quoi nga dai tumo izo din kulu to bala abdul kader irgin fondo goy irgin fondo goy kan ka tursi irgin fondo goy mo da bere kaina wo dai kan fay inda kera gamara merci beaucoup passez une très belle journée merci à vous aussi voilà fidèles auditeurs nous allons observer une petite pause et on revient juste après Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Bonjour Ousmane. Bonjour Ruki. Aujourd'hui, dans la rubrique éducation numérique, nous abordons une actualité qui fait la une de la presse mondiale. Julian Assange, c'est ça Je Oui, exactement, c'est ça. Est libre après plus de cinq ans passés dans la prison de Bermarche, c'est ça Oui. Ah ah. Peux-tu nous éclairer sur les événements qui ont conduit à cette libération Alors, euh, effectivement, donc Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est désormais libre après avoir euh, passé 1901 jours à la prison de, euh, de, Belmarsh, donc à Londres, en Angleterre. Il a quitté la prison euh, le 24 juin euh, dernier, donc euh, tout récemment, il y a 2-3 jours, pour retourner en Australie, son pays natal qu'il n'avait pas vu depuis 14 ans. Cette libération marque l'épilogue d'une incroyable saga judiciaire qui a captivé le monde entier. Ousmane, explique-nous, c'est quoi Wikileaks Alors, Wikileaks, pour faire un petit rappel, euh, a été initié par son fondateur qui est Julian Assange euh, et a débuté en 2010 avec la publication de plus de 250 000 documents militaires et diplomatiques classifiés des États-Unis, euh, révélant des informations sensibles et controversées. Donc ces fuites de données informatiques ont conduit à des accusations d'espionnage et de piratage informatique contre Monsieur M. Assange avec une possibilité avec une possible peine plutôt de 175 ans de prison aux États-Unis conformément à la loi américaine euh, sur l'espionnage, donc qui s'appelle euh, l'espionnage act. Donc une euh, condamnation en, vertu de cette loi aurait constitué un précédent très inquiétant pour les journalistes et les médias travaillant avec des informations classifiées ayant fait l'objet de fuites, rappelle notamment Reporters sans frontières dans un article qu'ils ont écrit. Hmm. Et Ousmane, quels sont euh, les délais de l'accord qui a permis sa libération Alors, les détails euh, précis de l'accord n'ont pas encore été euh, entièrement divulgués. mais nous savons que Julian Assange a accepté de plaider coupable à, un seul chef d'accusation, contrairement aux 18 chefs d'accusation initiaux qui pesaient sur lui aux États-Unis. Donc les cinq années passées à Belmarsh seront prises en compte dans sa dans sa nouvelle peine donc, elle ne risquera plus euh, une condamnation de 175 ans euh, de prison. Juliane Assange a, également été accusée d'agression sexuelle en Suède. Peux-tu nous, expliquer ou bien nous en dire plus sur alors, ça Alors oui, c'était en 2010, donc Assange a été arrêté au, euh, au Royaume-Uni à la demande de la Suède pour des accusations d'agression sexuelle, accusation qu'il a toujours niée d'ailleurs. Euh, pour éviter une extradition vers la Suède, il a demandé euh, asile à l'ambassade de l'Équateur à Londres en 2012, où il a passé euh, sept ans de sa vie. En 2019, les poursuites suédoises ont été abandonnées, mais cela n'a pas mis fin à ses ennuis judiciaires, puisque la même année, l'Équateur a révoqué son asile, permettant son arrestation par la police britannique et une demande d'extradition par les États-Unis. Et Ousmane, que risque Assange en plaidant coupable aujourd'hui alors, Assange, d'abord, il a multiplié les audiences pour euh, empêcher son extradition aux États-Unis. Mais aujourd'hui, un accord a été donc conclu et le tribunal américain des îles Marianne prendra acte de ce plaidé coupable, condamnant Assange à 62 mois euh, de prison seulement, une période qu'il a déjà purgée. Euh, et donc, il est effectivement libre. Mais toutefois, le débat sur la transparence euh, qu'il a initié, donc euh, Wikileaks a initié il y a 14 ans, demeure malheureusement encore aujourd'hui d'actualité. Merci beaucoup Ousmane pour cet éclairage sur cette affaire à la fois complexe et fascinante. Merci à tous et à la semaine prochaine. <laughs> Merci Ousmane. Et donc après cette euh, rubrique éducation numérique très informative, un autre tour en musique avec le titre Atkurma de Dari.

masimila ni jarma sai ni du masimila si ni sai ni talka masimila ni bisu borkan si da no da moko irkoi fono zikul almani ziyenno e hayto si baygete afomo alsilamo de a afoza andu ni fonde ga fay kamba koyo dagira koy kitaka ibiyo didara koy kitaka ikuko dikaina koy kitaka amma wanda ya ce fariza bayaga et est le titre que vous êtes en train de kiffer, chers auditeurs, de l'artiste Mamandari Moussa, alias Dari. Il est un jeune euh, artiste, rappeur, chanteur, compositeur qui a opté pour le rap conscient dans le style afro-hip-hop.

morceau Atakurma de l'artiste Daré. Et Salamoto, on passe directement à l'écho des régions. Le Code minier du Niger a été adopté par l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993. Il a successivement été modifié par l'ordonnance numéro 99-48 du 5 novembre 1999 et par la loi numéro 2006 tiré 26 du 9 août 2006. Puis en 2022, un nouveau code minier a été adapté pour mieux répondre et profiter de ces changements. Il y a sous Boubacar, membre du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger, nous en dit plus sur ce domaine. Il nous explique d'abord euh, c'est quoi un permis minier au micro de Mamanada. Le permis minier comprend le permis de recherche le permis pour grande exploitation minière et le permis pour petite exploitation minière et la concession. Donc c'est quoi une petite exploitation minière C'est l'exploitation minière permanente bien planifiée et coordonnée avec le déploiement des moyens entièrement mécanisés fondés sur la mise en évidence préalable d'un jugement et dont la production ne dépasse pas 15 000 tonnes par mois ou 180 000 tonnes par an des traités. Donc c'est ça la petite Le Niger a retiré le permis d'exploitation de la mine d'Imouraren à Orano. Du coup, cette mine retombe dans le domaine public. Que peut-on dire du domaine public Le domaine public est l'ensemble des biens meubles appartenant à l'État, à des collectivités locales, à des établissements publics ou à d'autres personnes publiques et affectés à une utilité publique. C'est ça la définition du domaine public et il a un certain nombre de caractéristiques aussi qui sont intimement liées à l'issue, notamment la question du domaine public est inaliénable, incessible. Donc c'est ça les critères du domaine public, ce sont ces caractéristiques. Donc c'est ça généralement en droit on dit donc les conditions cumulatives du domaine public. C'est être affecté à un usage direct du public ou à un service public étudié dans un autre don et appartenant à une personne publique et l'autre pour le bien affecté à un service public faire l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Quelle est la différence avec le titre minier Maintenant, il y a ce qu'on appelle le titre minier ou titre des mines. Lui, c'est l'acte administratif délivré conformément aux dispositions de la loi minière au Niger en vue d'entreprendre des activités régies par l'autorisation de prospection des permis de recherche, le permis pour grande exploitation minière le permis pour petite exploitation minière, la construction, l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée et l'autorisation d'exploitation minière artisanale. Donc c'est ça euh, qu'on attend par titre minier. Maintenant, le titre minier d'exploitation, la construction. Ça, c'est le permis pour grande exploitation minière, le permis pour petite exploitation minière, l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée et l'autorisation d'exploitation minière artisanale. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons le rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou avec Disport. Et notre chroniqueur du jour est Hassimi Gourouza. Bonjour Je suis là, Ruki. Bonjour. Oui, bonjour Gourouza. Gourouza, les arbitres d'élite du Niger sont en formation de 5 jours à Niamey. Oui, salamatou, c'est une formation dénommée cours FIFA. L'objectif est de renforcer la capacité de ces arbitres qui sont les noyaux des matchs qui se déroulent sur le terrain. La Fédération jeune de football a depuis longtemps bien compris la place de l'arbitrage dans les rencontres de foot. C'est pour cette raison que les formations sont destinées à ces arbitres pour être au top des normes de l'arbitrage mondial. 36 arbitres d'élite suivront cette formation, dont 5 femmes. Ils auront des connaissances de l'arbitrage, de la philosophie de l'arbitrage moderne sur le plan physique et technique. L'uniformisation des lois et de jeux et autres. Notons que c'est la deuxième session que la Finifoot organise au cours de l'année 2024. Gourouza, après la 32e journée de la Super League du Niger, les équipes vont entamer la 33e journée cette fin de semaine. Oui, Ruki, au programme, nous avons le Zumunta qui sera face à l'Est Police. Les électriciens de la Nigelec croiseront le fer au bleu plan du Liberté. Dagour Provincial va accueillir à Dosso le CL Sporting Club de Niamey. Espoir de Zender recevra Damagaran du Jongorzo à Maradi. Et les deux clubs d'Agadez à Koukana et Irana vont se frotter. À Niami, l'ASFAN, deuxième du classement, sera face à l'Olympique de Niamey. La GST de Tawa recevra les gendarmes de l'USGN. Enfin, à Niamey, le leader de la Super League de la Garde nationale croisera le faire avec l'AS 4e du classement. Hier, la FIFA est statué sur le match Niger-Congo-Brazzaville <coughs> pour le compte de la troisième journée de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Oui, et tout prévu pour se tenir, vous rappelez, le 6 juin 2024 au stade des martyrs de Kinshasa. Mais les Diables Rouges du Congo n'ont pas fait le déplacement pour des raisons propres à eux. Après constat, la Fédération internationale, la FIFA, a statué conformément à l'article 58 du Code disciplinaire de la FIFA. Le Congo perd le match sur tapis vert 0-3 avec une amende de 10 000 francs suisses, environ 6 800 000 de francs CFA. Le Niger empoche les 3 points et se compte provisoirement à la deuxième place de la poule avec six points derrière. Le Maroc, leader, avec 9 points. Gourouza, nous allons Partir à la découverte d'une boxeuse, elle, c'est Maimouna Salou Moussi. Âgée de 30 ans, Maimouna est à ce jour la seule boxeuse en activité. Elle pèse 57 kg et mesure 1m57. Elle est étudiante en première année. <coughs> Je suis un peu enrhumé, vous allez le comprendre. Première année de philosophie à l'université Abdoumou de Niamey. Le sport en général est sa passion depuis son enfance. En 2008, elle a intégré le club de taekwondo de l'EMIC. En 2009, elle était au club judo du lycée technique d'Ankasawa de Maradi. Puis, la même année, elle a quitté Maradi pour revenir à Niamey où elle a atterri dans le club de la Ligue islamique mondiale de la rive droite. En 2018, elle remporte la place de vice-championne d'Afrique de boxe zone 2 pour la qualification aux Jeux olympiques. Malheureusement, elle n'a pas pu euh, combattre en raison de quelques problèmes imprévus. En 2022, Maimouna Salou Moussi remporte le titre de vice-championne une seconde fois en Sierra Leone pour le compte du championnat à zone 2. Euh, finalement, son penchant pour la boxe euh, et l'emporte sur le taekwondo et le judo. Actuellement, elle s'entraîne au Boxing Club de Niamey. Voilà. C'est tout. <laughs> Merci beaucoup, Grouza. Merci pour ces informations sportives. Salamatou, on passe au portrait du jour. Assoumana Alassane est la star du jour dans le volet portrait. C'est un polygame et père de six enfants, originaire du village de Ganga, Garanga, dans le département de Dogandouchi, région de Dosso. Assoumana Alassane est propriétaire d'un parking de véhicules et motos et à côté du marché d'Olé de Niamey. Voici son portrait avec Oumaru. muna karfe goma sha ɗaya na safe kusan kasuwar dole ta birnin yamai wajen ashi abun hawa na asumana alasan mai shekaru arba'in da biyu bai da tsawo sosai asumana na tsaye yana taimaka ma wata mace inda za ta aje motarta cikin inda ake ashe motoci parking kenan wannan ke nuna da hulɗa mai kyau na tsakaninsu don kyautata aikin nashi aikin da ya yi shekaru da dama yana yi ga bayani ta yadda ya fara aikin nashi shagon fara shi abin allah kawo kare abin gadin ya swata ta shi ni gare kawai nisan sun bar ma allah ni zo kaso dole ina kabu kabu kuma dai motar sai ɓaci da motar ya ɓaci kuma yanzu ina gyaran wuri ina park to na so in yi farko in yi takardar ne kuma ba a san ko suna rida ba mutum kai zaman kan da Allah ashe ka in ka bani alhamdulillah in ba ka bani ba alhamdulillah wallahi alhamdulillah muna ci muna sha ko ba gaskiya ba mai basuwa kuma akwai mai wanda bai basuwa alhamdulillah mu wani mata hankuri ne ai hankuri ne duniya ma tsara ta bala wanda a cikin ta muna ci muna sha wallahi kuzari da son aikin nashi yasa yana da babban guri bisa aikin na kullum yana samun jika uku wani bisan kimin ma yana samu wani kuma jika bi abin da yanayi yana zuwa gani abin gani to alhamdulillah ne tun da muna ci muna kashe mutum ka gode ma Allah wani yana sai inda ma zai bai sani ba to mu kuma sai mun san inda zamu yi eh alhamdulillah wallahi waɗanda ba su da kuma Allah ba su mu kuma da adda kuma Allah ƙara ya muna samu dai ni yan kai mu diyana su ci da mata na ko ba gaskiya ba. Duk da matsalolin da aka gare shi bai hidda tsammani ci gaba nan zuwa gaba. Asumana yana ba matasa kuzari su nemi aikin yi don samun buɗe bukatu wallahi kira ni dai son a taimaka min wani bi kuɗa abinci ma sai mu zo ka so mu tura gida banda wanda ake in ba ga aiki wallahi ina da mata biyu da sun ga da shida ina samu wallahi ina samu in bude shago dai yadda Allah taimaka min taimaka min wasu mutane su kuma wallahi yaro dan dana guda ne guda yanzu ya ta kauye ne. Merci Oumou Morou pour ce portrait, chers auditeurs. On vous laisse écouter Bakin Dounia de l'orchestre de l'Adar de Nasser Danger. mai gaida ni to malami ka sha bokaye idan baki na duniya ni ka tsoro shi baki na duniya mugu ne shi bai bari itatuwan daji ba to balle jikin mutum mai ɗayi mansur ba maka saki mai zance duniya ce komi gani ne Allah ne in dan ƙasa ba shi cimma mai doki ba tallan ladiya da ta kwashe ni ta ɗauke ni can gidan hakin mai arme babu gora babu turare ba kai ne arme wanda ba na soyayya ba ba ne ne arme sai gidan karo aka yi na yi lau inda maza ka sai ma mata korai su ta shiri ni da abu ba rabon maye ba maye mai bakan ya ci kai nai kwai kururuwa ta fada rainai ba ko kadariya da gora ga baki ta can kalikali namu ne na jandarmeri baban isan kalikali angon saude yan sha da za ku ya gobe galaya ku kai masarkin dandi noma ya wuce shi komowa ta yi shi noma duhu shi ɗebe zakka ko ta wuce bale baɗi waka musa direbaran kadanawa matan direba mai mota ba da ɗauwata ya mace a hayyar gwanja goge sai ka sa kiɗi mu zance haka musa direba ba ne aran mota in ci da in ci gidan idar je dogarawa in zamna in je galmi in je na gaske tambola takarda mai kyau tambola a ciki ana murna sai ranar biya a mace huska na ji ga wata ta biyo karnan mota sai yawa mataki sun korota ta san da babu sarki sai Allah sannan babu ragon suna ba sarki baka ko bayyana ina son mai geme ina son na tare da mai geme gara na maza ba mata ba na tuna baba baba abu zai abu zai mai can kan nesa abura da bar mu kwana ya kama idona balle an gashe kwana yaro na gaske dan buzu yi ragoma ina son biya ka ina shakka shakan ne ka kai mini anna da in ta garin ko ka sai she garin mu ba a sai da masoyi masoyin mutum Allah ne in bai yi ruwa ba yayo iska ko kuma girgije mai amfanar gari duk gaba dai goge goge goge goge goge goge goge goge goge goge goge goge goge goge goge Bakindounia, c'est le titre de l'artiste Nasser Danger que vous venez d'écouter. Et c'est l'heure du loti du jour. Aujourd'hui, notre loti traite des cadeaux que les femmes offrent lors des cérémonies sociales, mariage ou baptême. Ces cadeaux peuvent être en nature ou en espèce. Mais pour certaines, c'est un placement dont elles attendent un retour. Écoutons Fanta Shamsou et Samira Rouafi sur la question. Masukishi, Masukishi, Masukishi, Masukishi, Masukishi. Hey, Masukishi. Assalamu alaikum masu gidan ga. ko ba kowa ne yau kai akwai mutum walla amma alaikum salam makwabciya kina lahiya ya iyalinki alhamdulillah makwabciya ta wai me ya same ki ne naga kamar akwai abin da ke damun ki. Hmm, ke dai bari ina cikin wani dogon lissahi bukiyan nan tawa zainabu ita ce ta aihu jiya kai madalla wannan ai abin alheri ne to mina ne kuma na damuwa a ciki ko ta matsala ta samu a'a wallo bata samu matsala komi ba kina tune sanda ni na aihun nan na samu ɗana mm. wallahi ta kawo mini kyautar jikka goma kuma har da kwalin sabuli to ni kuma yanzu ke gani ba ne da ko dala ban san ko ina iya maida mata abin da ta ka mini ba mm. mu mata matsala to wannan shine abin na damuwa kuma wallahi ke dai babbar gora ta ce babbar aminiya ce ai abun da kumya haba yanzu a ce ta kame mini wani abu ni kuma ban kai mata komi ba to ai naga abin ba bashi ba ne. kyauta ce ta ganin dama na yanki murna lokacin da kika haihu menene kuma na damuwa a ciki hmm. ai kamar baki san matan yau ba in suka kawo miki dala biyar suna jiran ki ka musu jika haba da Allah bari komi suna jiran a su ga an ka musu wanda yahi wanda su suka kawo maka ke kwantar da hankalinki ki shirya tsab ki ta wurin bikinki abin da Allah ya hore miki shi zaki bata ko ba haka ba wallahi gaskiya ni tsogo nake ji duk mutanen anguwa so raina ni su yi ta nuna ni su ce gani nan ban kama mata wani abun a zo a gani ba haba wallahi gaskiya kuma kin gani wa da garin ya zamanto sai a hankali ke ni ba ni ciki da wannan kayan shirma a gani na ko baki bata komi ba ai ba wani tashin hankali bane ne kuma na tabbata ba ke kaɗai bace ba ina ma kyauta ta taɓa zama bashi wanda sai an biya ka da makamancin shi ko hiya da shi Hmm. Wannan ke kika san da haka. To, tunda dai kina ta magana, zan shirya dai in tai haka nan. Haka ne ma ai, kyauta da ake kaiwa wajen biki ai kawai yi wa kai ne. Taimakon juna ne da gudunmuwa tsakanin mata, ke har ma da maza wani bi. Kenan ban ga abin ta da hankali a nan ba. Na mima wai. Hmm. Na dai gode makwabciya da kika dan kwantar da min da hankali. Zan je in shirya maza maza ka in ta in rasa dan shinkawar da ake yi ta midi. <laughs> to ko kefa. ungwani ma ga bakar leda ta kaɗa cikin tsak in kin je ki zubo min rabona. Aha, kina son ke na gan mini mun ba wani abun a zo a gani zan kai ba kuma in yi kwashe-kwashe. Ba shi komi to ni ko ɗan lemun ma ki kawo mini. <laughs> beaucoup les filles pour le loti du jour, chers auditeurs. La culture linguistique, euh, Abdul Mounigneli est avec nous pour nous expliquer le mot diplomatie. Bonjour Salamato, exactement. Je suis là pour euh, expliquer en full full day le mot diplomatie. Chers auditrices et auditeurs du Niger sur Kalangou, bonjour et bienvenue à notre rubrique culture linguistique de ce jeudi 27 juin 2024. Comme déjà indiqué, ce mot a été expliqué en anglais, en français, en hausa et en germain. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'expliquer en fulfulde. bandiraɓe barkinaɓe kori jam weeti e muɗum konngol faransire gol nantinten hannden alkamisa o diplomatie diplomatie o duni labi politique kaɓɓodirde duni fa hannden laabi higiraku caka leyɗe e leyɗe na mbiyen jendi e jendi ko watta duni fa hande hawta joɗoɗade e hawta gollididde caka leyɗe ɗe endan bien caka gendi e gendidi e ni woɗa moƴƴa jon en ande dow fannu diplomatie o fa no surude ko wadda lural na ko wadda konu caka leydi e dalila o o no hi'e ko neɗɗo hana halfine golle diplomatie no hani andal hikmaku e neɗɗo oduni fa hannden no hani tawre muñal ko watta golle ɗe en nden rewɓe nder fannu o enɗen nduni fa hannden no gadda balla mumen sanne soɗodirde enɗan caka leydi e leydi na caka enɗan caka gendi e gendi laso e nayi lewru juin hitane fuudu iɗum waɗa battu ñalowma ittanaɗo rewɓe tawaɓe nder fannu diplomatia o enɗan ni hano laaɓi haɓɓodirde naabi en kaɓɓodirongol caka leydi e leydi na caka gendi e gendi ɗo min daranto on bandiraɓe barkinaɓe wonɓe no hettino sigilaji niger sur kalangu jaare yesso e de sigilaji ɗi endan on barkini bala pour aujourd'hui Merci Abdul Moumouni pour ces précisions. et bonne continuation. Merci. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. information hangen ha almanti moso zan mu cina irga hangen no almanti moso information hangen no zan information tabater tenno imam bege tari aje hon bini ga de kenno gisa yo ro wat kulga denir ga hangen assalamu alaikum wo gama akani gumu gumu gumu ya ma ga fa karen te ihan na duma kan ga zankai do bure na fa sabon ta sa ga na fa gumu wai bure mai za da ma ga dai ga ba mi so ka dan isi o da zankai ta sabon ta sa inge mu halhun irga ba imi di sai kan inge mu i ba huna mu bore o isu ba mu dogo bore o irsa ira ga mu irga ba imi di ase yam di ku pir ga ba son kan ku piro ga ba da dai irge go hanga kalkupu wallahi uh, kalangura dia wati kanga ga hanga na sai okay wallahi gonda ban fere irga hanga na sai gumgumo wallahi murado goga te wallahi program wallahi irman dia ga tali oh irman dia ga tali kulu kolongora wallahi labara din irgo ga hangan agogo na fumo gumo ka gogo na fa irgo ma labarai irgo ma ra de himma donc yan ga kadai irko talama murado fere irko go tonton de yadin wallahi kolongo labari labari kulunga ko go kandirse irgo ma ise gumo wallahi irko talam dogana tabbati labari dai kan irgo yi kani dai gita hankan go te labora irgo fahamani boraise irgo gudu mo labari yankan ga kanir sera matkan dai aghi manda dai kan imne danga radio dai kan go yi fan sirwel labora kalangu daino kalangu bandir du radio kan ko irgo gir fahamani gumo to kalangu kai fisbillah wallahi matkan irgo biya sena asinde ta alkulu kada irko manan am podijine amma ka kaso kai wallahi alhamdulillah masha Allah alari gudu wa himfani kuma suwai ba ali studio kalangu muna sauraron labarurka wanda muka sani da wanda bamu sani ba labarunsu akwai maza akwai mata babu bambanci su kara dai karfin gwiwa akan aikin da suke yi suna na rika yi abdulkadir wallahi muna sauraron labarin studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai hakan dai so nake su dan kara lokaci kuma kamar labarin da ake yi na ya kamata a ce a yi kan shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke budewa a fara shi tun da sai ni ne rabi'u buzuzu garin take goma sabuwa eh labaran studio kalangu muna shauraren shi yadda ya kamata saboda akwai abubuwa da yawa wanda ake yi a cikin mu wanda bamu san da su ba amma ta hanyar wannan labaru muna jin labaru yadda ya kamata kenan abin da bamu san da shi ba ta hanyar radio kalangu insha Allah inda Allah ya garanta muna shauraren shi cin karfi wallahi to yanzu abin da nake so su dan kara kamar daga lokaci bi saboda muna samun abubuwa da yawa ta radio studio kalangu fi sabilillah akwai abubuwan da ba mu san da su ba amma ta wannan labaru nasu to gaskiya muna jin daɗi cin cin karfi wallahi amma da ke cikin ƙasar ku komi da komi kuna shirare kai na ƙasar duniya ma duka gaba ɗaya kuna shirare kawai Amina Haruna wallahi ina sauraron shi gaskiya suna da ƙayatarwa domin Allah in ba dan haka nan ba wani labarin ma ba kajin shi in ba ta nan ba tun da gaskiya abu ne mai amfani mai inganci wanda ake bukata cikin ƙasa ana son shi su ƙara lokaci Sa'idu labarin nan na studio Kanangu wallahi suna ƙayatar da mu mu wannan jin daɗin mu ne da Allah Allah ya sama har rediyon nan zamu ta samu nan karin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan zai cikin ƙasa kana saurare to ai shine komi kuma muna fatan Allah ƙara musu hazaƙa yanzu abin da nake so su ƙara ni inda Allah ubangiji shi ke yin komi shi ne ke yi fatan da nake musu ubangiji Allah ƙara musu hazaƙa ƙara musu ilimin ƙara ci gaban wani abu in akwai wata rediyoyi ma da ke can ƙauye su ƙara kai mu can wa'anda sun nesa gabas yamma ko ina su zamana daidai. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rukayeto Abdraman et moi-même Salam Kadiri. L'édition est assurée par Adama Dawachi, la technique par Mustafa Ayouba. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Excellente journée à tous.